alaikum beaucoup internet du en TV heureuse de vous retrouver dans votre émission sur l'environnement. Nous nag ñu am ak contentement bu mag di ci monsieur président Krap, concertation des riverains et associations de la baie de pour la protection de l'environnement Nous nag ñu war de concertation ak nu muy tëddee balaa ñu ko seen ci waxtaan bi monsieur Camara ñu bàyyi la nga nuyoog wa rahmatullah qui en TV internet en TV et puis remercier en TV ci euh, émission de euh, monsieur Kamara, euh, mouvement association des riverains la concertation des riverains et association de la baie de pour l'environnement Nous, taxawal ko ci association 80 associations.

Euh, man ci lim ku mel ni maire Matar man ci lim Mbacke Seck man ci lim Soxna ndey Thiam euh, alors ñooñu noonu ñoo demoon ci benn réunion toog ak directeur ONAS directeur ONAS waa mbaaw yi ñëw doon benn takk waa Caaroy doon benn takk après léegi directeur ONAS ne leen nag bëgg naa itam littoral bi yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo formé la communauté de la baie ñu am ay association yoo xamante ni dañuy nekk ci interlocuteur alors waa Yarax ca la muy jàngee nii ndax ne àndoon doon benn takk dafay gën ndax ñuy waxe ci benn bac Crap ñu euh, ngi liggéey ci lu 14 mois alors le 29 euh, décembre ñu avons eu assemblée générale par le bureau on a même été installé par le maire de Hann ak euh, son son équipe. juste un an naka ngeen def réussi réussir instant bii nii ngeen 80 associations bokk ci crap, waaw CRAB nag amagul un an crap, 29 décembre Mais le mais comité d'initiative, initiative bi liggéey ci am 14 mois lañ ko liggéey kon nga xam ne du ay donc fukki weer ak ñeent la ñu liggéey ñoom pour que ñu mën a am lii nga xamante la concertation donc des riverains et associations de la belle encore l'environnement donc euh, mais ñun bi ñu juddoog 22 décembre la ba tey ñu nekk ci le 15 février donc euh, dans presque deux mois d'existence la ñu amagum te matu ko sax waaw. ban perspective ngeen waaw ak pour réussir dépollution bi daan parce qu'on a remarqué que.

léegi nag CRAB bi ñu ñëwee tey li ñu jëkk def moom mooy ñu ay termes de référence ñu mooy ay TDR yoo xamante ni euh, dañu bëgg a xool suñu géej gi lan moo fi nekk ci jafe-jafe yi njëlbeen bi yan xam-xam ak yan xeeti xam-xam ak yan xeeti ko bu ko war a àndal yëpp lañu war a taxawal def ay lël ak i penc yoo xamante ni dañuy boole doomu dëkk bi yëpp ñoo xamante ni ay leader d'opinion lañ ay meneur d'homme lañ ay intellectuel lañ le capital humain ñu dajale leen après jox leen xalaat yooyu ñoom ñu gën ko saytu andi ci seen i

Euh, plan d'action annuel nous ñu réfléchir 80 associations tous les week-ends nous avons 10 associations sur la baie pour nous ñu nettoyer ba aussi de responsabiliser maintenant les associations ñu leen jox ni espace 500 mètres ko pour koy euh, koy ko euh, reboisement ci ci embellissement pour ci donc ak loolu ci plan d'action. tous les trois mois nag dañuy am plan dañuy am des ans des des des dañuy taxawal ay mbir am 80 associations voire 100 associations wax ko waa Sénégal parce que la baie de Hann est une affaire pour tout le monde voilà donc euh, ñu yëgal ko ñëpp ñu ñëwandoo wàcc nous de ñu nettoyer reboiser sensibiliser conscientiser les populations mais nous dëggu réseau bi mooy ñu porter le plaidoyer pour la de la Belle Nous la commune de la mairie de la ville nous le sous-préfet avec le préfet le gouverneur mais l'État du Sénégal mais mais également avec les partenaires techniques et financiers donc nous parce que nous nous prenons le développement de la base pour sommet

waa Yaraax lañu waa commune bi lañu il faut que ñu dem ci ñoom wax ak ñoom ñu xam ni Tra judd na te dafa judd pour liggéeyal askan te nit ki boo koy liggéeyal tamit war na xam yow yaay kan ak lan ngay liggéey pour moom mais moom tamit dalan la fii kat laa bëgg nga liggéeyal na ci lii te nii laa bëgg nga liggéeyal donc bu ñu tëjee suñu bureau mukk mbaa ñu nekk suñu salle pour di xalaatal waa Yaraax te ñu nekk des hommes d'action on sera sur le terrain pour que nous nous xam lan la ñuy def donc lolu dal motax sax tay émission bu mel ni ñu mën ko def ngeen man ñu dimbali ci vulgariser la trappe mais également nous nekk benn mot bo xamanteni président bi da koy lancer les internes de du monde mais également de la communauté de la paix, mais surtout de la commune de Hann bel que une initiative citoyenne majeure bu juddu dans la commune de la trappe

boole association yi am doole yëpp ci commune bi ba pare ñu yàgg def dara man def dara te ku ci nekk nekkoon fa tàkk doon fa def lu am solo dafa liggéey liggéey bu mucc ay donc dafa jot tey pour que ñooñu ñëpp doon benn tàkk ànd àndu nawle andu ngir yàlla andu pour que suñu commune soxaliku mais lépp lu ñuy def tey en tant que population les autorités et les décideurs politiques et publics comprennent véritablement que waa Hann et la communauté de la baie muy Mbao muy Thiaroye euh, muy Yara nangu nañu ko def la déposition ci li ñu gën a gaawe ci xam yu war

Euh, nous sommes le président Abdurrahman Kamara. Alors la CLAP, c'est la concertation des riverains associations de la baie pour l'environnement. Alors c'est 200, c'est 80 associations à la naissance et donc ça regroupe pratiquement toutes les grandes associations et les grands leaders de la commune. Alors donc euh, la CLAP euh, porte le plaidoyer pour accélérer la dépollution de la baie Alors et le rôle d'un réseau d'ailleurs majeur, c'est de tout faire, de porter le plaidoyer. Alors, ce plaidoyer-là, nous allons le faire en parfaite intelligence et en synergie d'action avec la commune d'Ambelair, la mairie de la ville et tous les décideurs politiques et publics. Alors, donc, euh, nous allons, dans les jours prochains, voir euh, euh, les leaders d'opinion, les meneurs d'hommes, voir tous les acteurs qui œuvrent pour la paix, la dépollution, mais également, ils sont des acteurs depuis toujours donc on parlera des pêcheurs. On ne peut pas parler de la définition les pêcheurs, les marieurs, les micro-marieurs, les, femmes transformatrices, les écailleuses, mais également euh, la trappe. Et dans nous depuis le 29 décembre. Alors, et aujourd'hui, dans toute la commune, on parle de la trappe parce qu'en fait, c'est un creuset de leaders et de jeunes leaders. Voilà, et de jeunes leaders et de leaders qui ont appris à votre école, mais qui ont toujours œuvré pour euh, la communauté. Donc, qui sont dans le développement communautaire, qui sont des relais communautaires et aujourd'hui qui défendent le développement global. Alors, on peut citer des jeunes comme Tibi, comme Astulo, comme Titi. On peut également citer l'association des femmes, le groupement de toutes les femmes. C'est 204 associations, c'est la première association de la commune. Et c'est dans là se retrouve dans la commune alors on peut également citer Wari, Chabon Marsal, que nous saluons au passage. Donc voilà, hein, c'est des leaders qui ont toujours œuvré pour la communauté de la paix, pour leur commune, et dans une parfaite intelligence. ils ont réussi pas mal de choses. Donc aujourd'hui, euh, nous, euh, président de la CAP, je pense que nous devons rendre hommage à euh, tout, ce beau monde-là, à tous ces gens-là qui ont contribué depuis toujours au développement de notre euh, localité. Et la CRAT également théorise euh, le développement de la base au sommet. Alors, quels sont les que vous avez prévu de faire les plans d'action pour réussir à cette déposition de la Voilà, très bien. Donc nous avons commencé avec Antivi, pour que la grande majorité comprenne effectivement euh, quels sont nos objectifs. Mais nous travaillons sur un plan stratégique triennal. Nous sommes en train d'écrire les termes de référence que nous allons après partager avec le bureau, que nous allons vulgariser auprès donc, de la communauté de la paix alors, et puis, ils, vont améliorer euh, ce, travail-là. Et si on va prendre tous les inputs, on va faire donc, euh, des termes de référence euh, consensuels. Nous pouvons faire descendre 10 associations. Et puis, on va essayer de faire de l'action, nettoiement, plus reboisement et embellissement de la baie. Nous pouvons, le long de la baie, mettre des cocotiers, des badaniers et des filaos. Mais également responsabiliser des associations donc, sur chaque, espace nettoyé, mettre une association sur l'espace et leur faire comprendre euh, quels sont les gens de l'heure. Voilà, parce qu'il faudrait effectivement que les gens comprennent que la dépollution de la mer va prendre la qualité de l'eau, euh, l'assainissement de l'eau. Mais les déchets solides n'ont pas encore trouvé une solution. Donc ça, c'est à nous, population, de proposer donc, une alternative. Et nous sommes en train de réfléchir et Inch'Allah, nous allons proposer des choses qui vont intéresser tout le monde. di la jaajëfal bu baax monsieur Abdourahmane Camara yéen mbokku internetu en TV itam ñu ngi leen di jaajëfal te di leen dox dig daje suñu beneen numéro suñu environnement jërë ngeen